ken waxul amin donc li ma bëgg a Ousmane Sonko c'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise il n'a rien à prouver li nga xamante ni moom courage bravoure ce procès depuis deux ans ces gens ont tenu le pays en haleine ci ay débat yi nga xamanteni ay débat yu niveau yu faible Sénégal dafa war a dépasser fu ñu toll nii débat ñu war am mooy débat économique débat santé li nga xamante moom la ñu def pour sortir ce pays dans le coma économique dans lequel il se trouve loolu moo amal nit ñi importance dañoo ne Sénégal c'est un pays boo xamante est démocrate. mais est ce que du loolu tamit politique yi ci yéen la a commencé. nee na démocratie la démocratie du ñun ñoo andi tubaab ñoo ñu la démocratie elle est dérivée de deux mots grecs Demos qui signifie le peuple et kratos le gouvernement. loolu moo waral le le président américain Abraham Lincoln daan na wax ni que la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et maintenant, tout le monde est d'accord que l'écrasante majorité du peuple sénégalais n'est d'accord nous, nous li dossier nous dossier avec Ousmane Sonko mais dossier le président Macky Sall avec Ousmane Sonko. Ah oui. Ah bon? Parce que depuis le début, on nous a fait croire que cette histoire-là, c'est entre deux citoyens. Donc c'est privé, ça ne concerne pas que l'État. La première sortie de l'État du Sénégal, je pense que c'est ça. Donc, l'I, c'est un projet qui concerne, non, c'est un dossier qui concerne deux citoyens sénégalais. Mais tout le monde s'est rendu compte qu'en réalité, c'est un procès à l'État du Sénégal et l'opposant Ousmane Sonko. Et moi, dans cette affaire-là, Sénégal, les Sénégalais ne méritent pas ce genre de débat le président Macky Sall mom lañ jox ce dossier là ça ne méritait même pas que muy dem élection pour en procès depuis enquête préliminaire lañ ko classer classé ça ne nous honore pas mais man damay rouss may un ci ay plateau pardon né Pour deux parties, yep tay euh, ñu dem procès non seulement leeral non non c'est-à-dire jox euh, peut-être ku nous ku ñu togn mais également ci mémoire 14 euh, personnes sont décédées Nous xam exactement deug bi fan la situé mais Néné il faut, Oui, non, mais il faut placer les choses dans leur contexte. Ousmane avait posé des conditions nécessaires pour Moudem Ouidji. Man, sama leader, Bougan Dani, il a effectué un déplacement pour Dem Setu Ousmane. Là, le grand Demol Ouidji, et j'ai confiance en vous. Et Bobo son discours n'a pas changé. Mais Ousmane, Demna Ouidji ou Demol Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une chose euh, dans ce dossier-là que les gens oublient souvent, c'est la présomption d'innocence dans un procès. Est-ce que la présomption d'innocence de Ousmane Sonko a été respectée depuis le début Nous avons accusé télé radio, publiquement que l'affaire aussi est bi mais les vidéos sont là les images sont là maintenant le procès nan pas été parce que nous avons li procès équitable il faut qu'on se ressaisisse na Macky Sall la xawla wala illa billah il n'y a ni force ni pouvoir en dehors d'Allah seul le pouvoir de Dieu est dit pouvoir de yor dafa éphémère parce que gis nañ fi Yaya Jammeh gis nañ fi Ablaye Wad, ñoom ñëpp jaaroon nañ fi na qui xelam ci borom bi donc ce procès là on doit oublier ça nous mu gën mais c'est une manière pour lui de maintenir ce débat pour vraiment nous mën à bañ a intéressé question yi nga xamante ni intéresser le peuple sénégalais. d'accord alors major nous ngi voir depuis euh, le début Ousmane dina euh, du euh, qu'est-ce qui va se passer sous nous. après on a vu ce qui s'est passé nous jugé ko peut-être par contumace alors déjà ça analyse ce procès parce que nous déggee. Euh, de part et d'autre on a l'impression quand même que euh, nous que c'était euh, toujours un complot politique un complot du Sénégal pour empêcher un potentiel candidat à l'élection. est-ce que tu as une d'après li nga procès <clears throat> au Sénégal c'est une infraction subjectivement politique. Uh-huh. cest c'est une infraction de droit, comme on l'a reproché, uh-huh. qui a été commise par un homme politique. Est, elle est subjectivement politique. Mais le traitement interpelle la procédure pénale dans sa quintessence d'infraction de, de, droit commun. Uh-huh. am la relation de cause à effet. Euh, ils vont ils vont embarquer Ousmane qui qui est spirale boo da koy topp ba ba ñu sàggoo après ñu koy dans la postérité du dem. Ah. c'est-à-dire euh, ko dal dafa nekk natt boo xam da ko waroon affronter te affronter wu ko ce qu'on appelle la relation de cause à effet. donc pour vous devez relation de cause à effet bi xam nga mooy problème problème. Mm-hmm. mooy le fait qu'il se trouve en ces lieux en ces circonstances. ba femme cette femme de Adji Sarr la jëñ ko ko. il importe que ça soit un complot ou pas xam le lu wax pour le bouton mu fin peu importe que ça soit un complot ou pas un complot ça n'importe pas Il la que ñëpp fa le daanoo attendez monsieur Le problème là c'est de l'attirance en matière d'assurance. il ne peut pas y avoir de complot comme le disait le philosophe, quand vous avez quelqu'un par sa beauté, c'est de l'attirance, son argent, c'est un profit, son intelligence, c'est de l'admiration on ne mënuñoo wax affaire sexe affaire euh, yoyu on ne peut pas parler d'un homme nit bul nangu ñu naan la dañ la complot pour nga yekkataan jabaru jabu rek wala nga tëdd ak jigen gis buñ la ko buñ la ko jiiñee ci circonstances yo xamné yow dañ la fekk ci urbal bi wala nga demoon ci urbal bi wala nga dem ci néeg bi da ngay taxaw wedd tuuma bi la plus grosse erreur c'est de refuser de comparaître le juge da ko piéger ci ADN bobu mu koy proposé il devait il devait lui dire que damay ñëw bu ma bu discriminer avec quelle substance la waroon wax et que les gens disent qu'il n'y a pas de de de prélèvement foofu ngay un problème boo suivre vous li ñuy def débat ce que le fait que femmes yi wax ci audience bi lii ak insolence c'est permis Nations Unies même dañuy une nit man dem une audience Côte d'Ivoire de Liban, am problème ak bonhomme. da koy violé mu ne violé. yàlla yi dafa am bouton bu rëy bu ñuul à l' audience mm. les VBG VSBG accompagnent les victimes Nations Unies dafa am section boy accompagner victime mais dañoo suspendre audience bi dugal waa ci bir gars yi sumi pour vous dire que ce qu'il dit ici c'est de l'espéculation mmh. il enlise même la personne de Ousmane Soko dans un procès interne bo xamné Quel ko régler quand on parle de nañ ko ko depuis lors que la fille a dem à la section de recherche mmh. porte plainte oui c'est des traces d'indices. indices mmh. et là-bas les gens ont parlé de manière linéaire est-ce que procédure pénale PV les PV de crimes et délits n'ont aucune valeur c'est le procureur de la République qui puise ce qu'il veut puiser et de faire un réquisitoire introductif d'instance ou alors envoyer dossier en flagrant délit le procureur de la République peut mettre le PV sous table et reprendre le PV il peut désigner un autre OPJ et dessaisir l'OPJ. qui faisait l'enquête. écoutez on parle de procédure pénale oh, académique vous voulez vous prenez si vous ne voulez pas vous vous <laughs> taisez. c'est-à-dire le problème est fondamental le procureur de la République il peut rectifier un PV il peut le reprendre il peut le classer sans en prendre un mot mu mu mandat de dépôt yóbbu flagrant délit ou mu defal la réquisitoire instructif instruction le juge d'instruction peut dessaisir le procureur de la République même un OPJ et faire l'enquête reprendre l'enquête lui-même c'est en cas de flagrant délit ou d'infraction quelconque le juge d'instruction champ mm-hmm. mm-hmm. peut dire que je m'autosaisis et là le procureur n'a rien à voir avec les autres c'est le juge le juge qui va donner des commissions rogatoires et faire l'enquête dans son cas d'espèce tout le principe et la forme de la procédure a été respecté s'il ne se sent pas coupable, il devait comparaître à toutes les étapes et d'accepter toute, la biologie moléculaire, c'est de la médecine légale. Tu dois obligatoirement te soumettre à la biologie moléculaire et à la discrimination par empreinte digitale, par, empreinte génétique, ce qu'on appelle l'ADN, c'est de l'acide déoxyribonucléique qu'on cherche et que personne ne en ce moment confusion. Et le support de, la substance adénique, la substance, bon, nous falsifier parce que boo il en labo y a des gènes qui qui kératine de cheveux mhm. Des salive support salive sang la sperme c'est des bala tu te soumets à ça on te discrimine parce que le, viol la base fondamentale est l'élément. Donc vous pensez qu'il n'a pas eu raison aujourd'hui de, refuser. même mais mais on dit qu'il y a des substances qui ont été prélevées par écouvillonnage. Mm est fiable. Parce qu'on le fait par des, des bâtonnets qui, ont du coton à l'extrémité. Mais la quintessence mhm. est la garantie de, de parce qu'on les met dans des vacutinaires EDTA. C'est des mhm. vacutinaires imbibés d'acide diaminotétroacétique. Ça ne change jamais, ça conserve la substance. Mhm. Et puis, en labo, le laboratoire a la possibilité de dire le support de l'ADN ci excrément la ñu wax le ci sueur lañ ko mm. ci et puis euh, c'est pour cela que. Mm-hmm. ce qu'on est en train de faire dans ce pays là. c'est du n'importe quoi parce qu'on ne peut pas avoir euh, des juridictions et des surtout d'instruction et de jugement qui respectent les principes des principes yo xamné dañ ko monsieur dañ ko on est en procédure pénale on n'est pas dans un débat politique ni campagne politique. Uh-huh. c'est une relation de cause à effet et les gens disent qu'ils ont des spermes ils vous ont enquêté mais venez à l'audience et défendez-vous les avocats font du dilatoire et tout le monde fait un jeu de cupide on ne transige pas au pénal procédure il faut qu'il ait l'autorité de la chose jugée par des voici après c'est-à-dire soit il est condamné par contumance, il fait pas, il ne se rend, il, se rend pas en prison pour mieux faire la contumance, mais il euh, y aura l'autorité de la chose jugée, tant pis. Sinon, il va se rendre et après les gens vont reprendre euh, le jugement pour faire ce qu'on appelle euh, respecter un, genre pourvoi tu auras ça. Mhm. Mais en tout état de cause, mhm. on ne peut pas dans un état où il y a une relation de cause à effet et une personne indépendante de l'État du Sénégal, qui n'est pas députée, qui n'est rien du tout, une fille de surcroît, une femme, mhm. qui t'incrimine dans ce pays-là, et qu'on ne t'inquiète pas, Amout. Mais donc, le monsieur là, à qui on dit qu'il fait un début de démence, là, qui a violé les 23 filles, là. Mhm. Pourtant, on parle de démence, on dit que y a des problèmes de crise à cause de al mm Pourtant, la démence est une cause subjective de non-imputabilité. Ça rend l'acte licite, mais pas conforme de droit il faut arrêter. Les gens ont beaucoup appris pour comprendre et avoir une bonne lecture de ce qui se passe dans ce pays. Mhm. C'est ce que nous cherchons, personne une personne, mais n'a quoi et puis n'a qu'à comparaître. Mais s'il ne comparait pas, Mané, s'il ne comparait pas, il sera condamné. Vous de refaire. non, je vous dis S'il ne comparait pas, il sera condamné. Vous n'êtes pas dans le procès. on euh, Le procès a existé. Mané, man vais euh, deuxième partie après euh, Major, mais voilà. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. Kader, vas-y. waaw jërëjëf Néné Aïcha juste pour nga may ma rek ma commencé ci euh, Serigne Saliou